Ta ma reine, celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, l'unique, c'est toi ma reine, ravie, c'est ta reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. boîte l'unique, c'est toi ma reine, bébé Nigoman. mangani koi kai nang chinigu ke man kani bin ni ga ba kai wi ai ngora kai ga masi e kai nang na kul kin ga koi masi koi kai nang ba ka sine yuna kanga ka mahanni wana ne masai ba hang nang kul kan no ni go ai tin ba ko c'est celle qui efface mes peines. Ouais, justement, elle efface mes peines, elle présente l'émission Tous à la Fada. Oh. Bonjour et bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse Niger. Nous sommes dans une période habituellement réservé aux grandes vacances. Qui parle de grandes vacances Et parle d'amusement, se divertir, changer d'air ou d'occupation après plusieurs mois passés sur les bancs de l'école. Rabbi Mabinom a, dans la première partie de l'émission, évoqué le cas des dancing, des fêtes et d'autres passe-temps ici au paradis à titre donc de détente auquel ça donne la jeunesse en cette période. Moi, je vais vous parler d'un aspect plus physique. Je vais vous parler de sport, car pendant les grandes vacances. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux activités sportives, les arts martiaux, le basketball, mais surtout le football. À ce niveau et pendant les vacances, un peu partout au Niger, il est régulièrement organisé des tournois de football, communément appelés tournois de grandes vacances. Cette activité sportive est devenue une institution aujourd'hui. Comment ça se passe les buts, les résultats attendus, les impacts sur les jeunes. Nous allons aussi parler sur cette émission de basketball parce que récemment, un terrain de basket a été inauguré ici même au Paradisia. Nous allons en discuter plus en détail avec nos invités autour du thème place du sport chez les jeunes pendant les grandes vacances, cas des TGV et du basketball. Nos invités vont se présenter tout à l'heure. Mr Olivier, on sait déjà que l'émission Tous à la Fada, c'est une chronique. Alors, de quoi s'agit-il Aujourd'hui, ce soir, on va fat checker Ça te dit fat checker oh, oh. Qu'est-ce que ça veut dire Allez contrôler les fausses informations sur Facebook. fat checker Exactly. Ok. C'est ça qu'on va faire. checker. Bon, mélange tout ce que tu veux. On fait le point à la fin. <laughs> Merci en tout cas, Mister Allez, bonne émission, mon grand. 80 06 88 54, c'est le numéro à noter. Si vous voulez intervenir sur tout la FADA, vous pouvez ainsi nous envoyer vos questions et vos commentaires. Et si vous souhaitez recevoir tous nos contenus, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune toujours au 80 06 88 54. Tout ça, la FADA, mesdames et messieurs, c'est dans quelques instants décollage imminent. Première partie de l'émission, localisation géographique. Nous sommes situés exactement où, monsieur Fela euh, le parc Paradisia est situé euh, à la rive droite, euh, dans le village de Timéré, précisément à 150 mètres avant le poste de péage allant vers Saï, et précisément, de préférence dire allant à la pilule. Donc le poste de péage à 150 mètres, virage à gauche, avant le poste de péage à l'envers la pilule. Nous sommes avec euh, aussi un président, un président qui n'est pas n'importe lequel, le président du comité eh, d'organisation du tournoi de grandes vacances de Arobanda. Monsieur Mamadou Djungere, alors je vous souhaite la bienvenue sur l'émission. Comment vous allez, monsieur Mamadou vous n'êtes plus à présenter. Tout le Niger connaît Mamadou Djingere. Et nous sommes écoutés à travers 45 radios donc, euh, à travers le Niger. Nous sommes aussi avec un autre grand frère, monsieur Hassan Bello, dit Merci de m'avoir donné l'opportunité de venir euh, m'exprimer lors de cette émission de Studio Kalangou. Alors je suis aussi avec un président, un président qui n'est pas aussi n'importe lequel, le président de la Ligue de basketball de la région de Niamey. Entre autres, on peut dire Libaré. Vous êtes en forme Place donc du sport chez les jeunes pendant les grandes vacances cas des TGV. Mesdames et messieurs, on va parler aussi du basketball. C'est notre sujet du jour. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, on rentre déjà dans le vif du sujet à travers notre première série de questions. Monsieur Mamadou Djingare, les TGV avec S, désormais une activité de référence pendant les grandes vacances. Mais comment expliquer, mon grand Ça crée de l'engouement chez les jeunes. Voilà, donc c'est un phénomène euh, qui est en train de grandir qui prend de l'ampleur un peu partout dans le pays. C'est pas seulement à Niamey. Oui, c'est tout dans toutes les localités du pays, il y a des TGV qui se jouent. Les TGV sont en train, comme je l'avais dit tantôt, d'avoir de l'envergure. Euh, c'est quoi de l'envergure C'est des compétitions qui permettent aux jeunes, puisque c'est des vacances, nous sommes pendant les vacances, les jeunes, certainement, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire, ils ne vont pas à l'école, ils ont assez de temps. Donc, euh, c'est ce qui a euh, provoqué l'organisation de ces compétitions-là. Alors, Monsieur Padré, on va donc euh, vous poser la question suivante. Les objectifs que vous poursuivez à travers ces TGV, c'est quoi exactement euh, pour donc euh, les organisateurs et pour quel but pour les pratiquants aussi donc TGV il faut que Borem fam danga ay grand frère Mamadou Gingare compléter watu di nyamaira warg bay kan tournoi donc, euh, dans, par exemple, euh, TGV ou Thermo, le tournoi des grandes vacances, ça a commencé au Niger en 1990. Et je vais préciser, il faut nous une TGV d'Inté au niveau de Yantala na puisque avant, d'aucuns disait que Issa Nathalie Baba, une autre tournoi organisé Kourara. Donc, en Kandan, un tournoi, il m'a tournoi des grandes vacances. Koura, d'autres, il y a un sport, il y a jeunesse. Il y a un bon voilà. Euh, il faut qu'il une équipe de deuxième division quand signé AS Korombe pour qu'une équipe créer il va falloir im teki joueur rien hein. maintenant il y joueur il est tournoi quand tournoi des grandes vacances de Yantala en 1990 quand équipe au final Cosmos Cosmos, voilà pour que équipe pour créer il bonara wadin kakate était final ardent de Cosmos no ko final Cosmos gagné 4-0 Cosmos ce sont les grands précisément de Malbaza yantala izo kulu aga Malbaza joueur ay donc équipe mo in créé quand xé ike AS Corombe association sportive de Corombe voilà mat kan TGV au Sinting ka Niger objectif est candidat objectif est candidat oh. voilà d'abord c'est de pérenniser les TGV ne femme et naturellement irmizan kayno lokaci kan vacances dira borai kan gaba bal im ka ku jouer équipe era amateur pour kim ka di italien ngai l'élite du football nigérien l'élite si tu veux du football mondial beaucoup de ka igin ka di jouer la preuve Diego Tala tu ça mais point ko gon kango très très très important occuper la jeunesse

guri sambiyan kal viol har ka kal paya kal yengi amma du bal gono eh, bore ka im bal gono o monza kai ko kan trene ba o kan skar bali ka kai guni ko bi gano o man nikola no go gujo me padre ay to ton kai da nem padre him sur da ay sur ya padre him sur de ay sur pa angan de ye kan ga wallahi padre o du kai ba fa son parce que il faut que borgere mom salam me padre in sur de padre ye ye ka ta <laughs> fe am ay ma don di politique no ne o president ay mi to harando basketball nafufuno go je ne sei ara imate ifununa aran dang kwarora aram kag terrain professionnel te kwara panta ne bere ara no gene il faut décentraliser les choses il faut décentraliser les choses ouais to eh, sanga matka irga ci zar musanni ga hariwo im faida non gufo zamda go non gufo han foyan bor foyan go kan ginga na fanda me isudu saya kan go goyde gina donc uh, wadin ma gano ni di terango ina ka kwara banda kan gana hun kun haro banda mu profiter zan kai ma di ifo ti basket parce que juro kirna terango sentin ne wo irdu zan ka boban kaman bai di matki ga basket jouer mais idde terango bo igoga zuri goga makani

tu peux déjà m'expliquer et me dire comment est-ce que les choses se passent Est-ce que les jeunes ont commencé déjà à fréquenter, euh, avec ces grandes vacances, est-ce qu'ils ont commencé déjà à fréquenter le terrain de basket que vous avez inauguré récemment oui, effectivement, euh, les gens ont commencé à, fréquenter le terrain et hormis ces jeunes, nous avons des entreprises, des entreprises qui ont des équipes de basket qui ont déjà demandé à signer des contrats avec euh, le terrain pour des internements. Euh, on peut déjà parler de, de la Nigelec et la Sony Bank aussi qui compte euh, mettre une équipe de basket aussi. Ah, ils nous ont tous rapprochés. Et là aussi, dans, le quartier, quelques jeunes arrivent. Nos, clients qui viennent ici en famille, les enfants préfèrent être sur le terrain et jouer comme amateurs sur le terrain. C'est pour cela que, euh, pour cela que le Paradisia a pensé peut-être mettre à disposition euh, un entraîneur de basket les samedis, dimanches, et pour pouvoir euh, un peu jouer avec les enfants. Bien sûr. Qui dit enfant dit aussi jeune. 80 06 88 54. Si vous voulez intervenir sur tous à la FADA ou envoyer jeune toujours au 80 06 88 54 pour recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre ville WhatsApp. Place à présent à la rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la FADA. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes des pirates contre la Covid-19. La pandémie liée au coronavirus est encore là et toujours là. Méfiez-vous, prudence et vigilance. Pour cela, Surtout Salafada, on continue le combat en abordant ceux qui se battent à travers leur art pour passer le message sur les dangers de la maladie. Nous recevons cette semaine, ladies and gentlemen, un artiste que les mélomanes nigériens en tout cas, connaissent très bien. On l'a vu évoluer depuis son groupe Mamadi Boys jusqu'à atterrir en solo aujourd'hui. Eh, vous connaissez sans doute euh, la chanson hein? On n'est pas des pros, mais on veut devenir des pros. On n'est pas des pros, mais on veut devenir des pros. Oh, yeah. Sur le travail hein. beau. Hein, sur le travail C'est le travail On sait aussi que la vie c'est un combat, un éternel combat. Et nous sommes là sur cette rubrique pour combattre justement euh, euh, la pandémie euh, du Covid ou de la Covid-19. Alors ça vous dit aussi certainement, on va voyager en quitte bien évidemment Niamey puisque le studio est implanté ici à Kwarakano. On sera à Maradi. On va parler d'une tradition. C'est Kajichou, chat cha, c'est cha, cha, cha. C'est Kajikankara, kwas kwas sai ka ji shu sai ka ji sha sha sha sha sai ka ji kankarar ta kai ta ce kwas kwas kwas kwas a bien sûr les disants de gentlemen ka gani ka gani kolelanka ka gani ka gani kolelanka amma ke takarawa ka gani ka gani kolelanka Allah ya yarda ka gani ka gani kolelanka Tata ta, On va Tata Duma sur l'émission Aziz Tony, je te souhaite la bienvenue. tu n'es plus à présenter. Alors Aziz, comment tu vas Tu pètes la forme ou c'est la forme que tu pètes Ça va, ça va, tranquille. tranquille tout, se passe bien Aziz Ça marche, ça pousse doucement. Ok, tranquille. Alors aujourd'hui, on va parler de cette pandémie parce qu'on sait que l'artiste est extraordinaire. On va parler de la pandémie de la Covid-19. Faut-il retenir quelque chose euh, Tu en retiens quoi s'il faut retenir quelque chose toi Qu'est-ce que tu euh, retiens de cette maladie Dis-moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est une maladie planétaire, okay. faut l'appeler ainsi. partout elle n'épargne personne. Et elle, elle, ne fait pas de distinction euh, entre l'âge, la couleur, l'ethnie et tout, et tout, et tout, et tout. Tout le monde est concerné, tout le monde est exposé, voilà. Alors Aziz Tony, dis-moi, en tant qu'artiste, jusqu'où tu es allé dans ton engagement pour aider les populations nigériennes à se protéger contre cette maladie Tu l'as euh, fait, je sais que tu l'as fait. Oui, bien sûr. D'une ou d'une autre. Bien sûr, comme engagement, moi je n'ai comme arme que le micro. Mhm. Donc... Euh, par rapport à nos micros, on a sensibilisé avec des petites vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a sensibilisé, on a essayé de montrer aux gens euh, la gravité de cette maladie qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce que d'autres y croient, d'autres n'y croient pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vrai, c'est réel, ça existe. Et on a donné tout ce qu'on peut donner pour sensibiliser les uns et les autres d'ici, d'ailleurs, de la campagne et de partout. On est toujours en attente d'un médicaments contre le coronavirus. En attendant, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour continuer la lutte à Zistonu euh, Ce que je propose euh, aux gens, mhm. à la population, à tout le monde, c'est de faire surtout, surtout beaucoup attention mhm. et de respecter les gestes barrières. Tout simplement, la prévention. la prévention. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir Mais tu vois, non on, de voilà, on doit faire très attention. Très attention. Alors, l'instant, cette fois-ci, est solennel. Ah, bien sûr. On aura besoin d'un mot, un mot de fond de l'artiste en ce qui concerne ce numéro. Parce qu'on euh, sait que l'artiste a toujours un message à véhiculer. Tu es kiffé par la jeunesse. Aujourd'hui, tu es écouté par le Niger, de par le Niger, tu es sur le plan international, on te kiffe. Alors quel serait toi ton mot à l'égard de cette jeunesse qui kiffe cette rubrique Aziz Tony pour finir Yeah, cette jeunesse, je demande à cette jeunesse beaucoup plus de conscientisation, mm-hmm. beaucoup plus de prudence, de ne pas sous-estimer cette maladie. Mm-hmm. Et je souhaite la paix pour tout le Niger, pour tout le peuple nigérien, pour toute l'Afrique. La paix. Alors Aziz Tony, on va finir cette émission avec un peu d'ambiance. Je sais que tu aimes ça, je sais que tu secoues déjà la tête. et tu sais aussi qu'est-ce que tu te kiffes, il kiffe euh, aussi ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu me proposes pour finir cette émission, Aziz ah. Tony iya gwada mana. Eh. rankenken samba iya jada Alors la jeunesse nigérienne connectée un peu partout, on prend congé de vous soucier Big up. Respectons les gestes barrières. C'était donc euh, la Covid-19 où euh, l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada. Deuxième partie, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes toujours au Paradisia euh, Fela l'a déjà expliqué, Paradisia est à, quelques kilomètres, euh, n'est-ce pas, de la euh, région donc de Niamey sur la voie de la Pulle. Nous sommes donc avec M. Mahamadou Djingarey, président du comité d'organisation du tournoi de grandes vacances du Arobanda. Nous sommes aussi avec Hassan Bello, il est le président, bien évidemment, du, du, comité d'organisation du tournoi donc de grandes vacances de Yantala alias Padre. Nous sommes avec monsieur Abdoulaye Souley. Il est le président de la Ligue de basketball de la région de Niamey. Libaré, mesdames et messieurs. Euh, nous parlons du tournoi de grandes vacances, du TGV, euh, car le thème de la semaine est place donc euh, du sport chez les jeunes pendant les grandes vacances, car le TGV et du basketball. Parlons à présent de la portée des impacts des TGV sur les jeunes, mais aussi du basketball. Écoutons la réaction de quelques jeunes au micro de Big effectivement, le tournoi des grandes vacances, il effectivement, ce sont des lieux où on, se rencontre avec les camarades, on partage. et à la cohésion sociale aussi qui se déroule là-bas. Et puis avec ce tournoi des grandes vacances, on, on, découvre les talents que nous avons au Niger, les footballeurs que nous avons au Niger, la relève des joueurs de demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ce tournoi des grandes vacances qu'on arrive à détecter des talents qui peuvent représenter le Niger. On s'amuse en jouant le football et toutes les soirées sont consacrées au foot puisque la TGV vraiment on veut vraiment la gagner. Et sans, sans pour tarder, on, on est aussi participant de la TGV. Cette fois-ci, vraiment, on serait gagnant. Euh, le TGV, c'est ce moment de rencontre entre jeunes autour du football. En Niamey, c'est quelque chose qui se passe depuis quelques années et chaque fois qu'il y a ce TGV-là, euh, les jeunes particulièrement sont occupés à aller sur les matchs, supporter leur équipe. C'est vraiment un moment de, retrouvailles, de joie intense et d'oubli des soucis. Monsieur Padré, concrètement, quel impact ces TGV ont sur les jeunes pendant toute la période des vacances durant laquelle ils sont organisés ok impact o wadin mhm. mhm. vacances activité dirim sigayi in kanta mat kai kino zan kai kayan gwani baldin jene sinnin ga bonfa kai kayan gwani baldin pedo da hannu no ifo c'est parce que saison morte yan no surtout yan tala au niveau de voilà entraîneur e ka igidi e zan kai kan gwani baliro yan tala zan zan wa kan do yan wal bal

e nigin gay fay felami amma din ko tgv antala aran go kuray follo aran ngite yir fo aran mandi kar aran di kar ba public ko ran di borian kan aran ga te lié de retrouvailles donc lié de retrouvailles non yendo kan barkan ni gay fay ni mum bay gidi ani ma wal ba boro zalla ko zaman nan tgv ni di wode kul impact yanno cimno san kay ga go goro agana nya ko fo sin tara ko bay nya ko fo sin tara ma ni go par exemple ko ar de ay go yantala ho matini gina c'est dollar irigin ngi charbay nego c'est je 25 ki zai go irigin irgin ngi charbay rum wafuk et puis sporo amana dai no kenan impact ki gine concrètement wonen dai no kirgo ci wo kan sai no irga ba vraiment bokul kan gin kan badan kan godi agin gai foti kan gomno to hinne fa manti gwamnato hinne gwamnato dai ne rigolor sintin da mm. sun kun kurai bobu gwamna kan bana kan gujo bal bana kan gujo bal sino na kan gujo basket sino na kan kan parce que barkane teje donc il doit impacter din ah, retrouvaille ah. din da oh, oh. ambiance oh. et puis surtout nous la particularité au niveau de Yantala c'est TGV Yantala est sponsor dernier virage de l'émission on va prendre une petite pause musicale en an la chance d'avoir un artiste pétri de talent sur cette émission, Ayman. Alors c'est un peu, euh, n'est-ce pas, du semi-live que nous vivons parce que l'artiste est sur l'émission. Ayman, je te souhaite la bienvenue, comment tu vas Tu joues au foot Oui, je, joue, bien sûr. Ah, tu aimes le foot <laughs> Oui, j'aime, j'adore. Maintenant, euh, Ayman, tu me proposes quoi sur l'émission Parce que nous sommes des jeunes et notre sous-inspiration, c'est la musique. On se retrouve, le Niger est majoritairement jeune et cette émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Tu me proposes quoi Il nous faut de la musique sur l'émission. Je te propose un son qui a été chanté pendant plus d'un an avant même son enregistrement, c'est-à-dire au Niger, qui est aimé par la jeunesse, vu qu'on parle de la jeunesse, que tout le monde a, chanté, tout le monde a adoré, enfants et petits. Donc je te propose Bakaria. Bakaria. Eh, no, Albora. wala Et puis nous, Bakaria Bakaria et kulu uno uh, Margounéo. Il y ga son dingo pare kare sirim ko lafi yoyo zamano ganjo masikala embero hayman bakirja keja bakarja keja e ya bakarja keja bakarja keja e ya bakarja makai beri sanni kawani zarma sanni sarki kai gani gana ne wasanan kulu kai gani gama bara beri sanda ma ne igo kai sare si bande waki se kanai si gande ai ba kai fara mu si balle lora agoga kai ne kat kat kan si kantare kansi gondare lambata kikika kansi wantare karabene karagada venosi antare kejay mbakarija kejay bakarija kejay mbakarija kejay bakarija kejay keja, kejay keja. sama sani hausa sani kejay 아이들레 오수상가를 Doni for the money si katare Kanye siri si go ide satare Aye Aiba ine aina bonka Ichi gane si yega ka Nkanga ina sauti ganyoka Waini sino banda si Nisino banda iwaigoka MC hadin sini moka Toso weka doni akulukuluja Alameja ina soja Yandi soja Dandi garbadiko Haima À l'instant, c'est donc Ayman. C'est l'émission à la Place du sport chez les jeunes pendant les grandes vacances. Cas des TGV et du basketball. Mamadou Jingare. Pandémie Covid-19 en a impacté. Parce que avec TGV, a de suivre avec intérêt. Halg Casson. TGV aman sintin wato ka irga bai kan irgo lokaci hannara kamant mantikir sanitero son moru tejeva moru son to son matano TGV haro banda ferme titre de stade pandemie covid 19 irin kan dodi sanda emission go. so di eh, matka ki mm. haro banda wana girkul nirgate girkul nirga organise haran halka songo tejeve mandu kasinti ifo sena burakul iri waro banda teje ba iri sate kala terrain universitaire ino gina se wanda lahara parce que wato da haro banda bore ina se wanda lahara wanda lahara terrain gazon terrain gazon ah, ah. wanda lahara ne bay brésil no gon terrain bai fukan sigi ne gwada lahara haro banda bore no barme inte wanda lahara kom gazon no gwara étudiant e terrain bo abondir que jouer terrain mono kan hmm. eh, ir sink joa bo haranzama université maganago hmm. étudiant e mboka wono ngai terrain isinki joa bo hunkura zam terrain kulno idabu star ndabu dabu arène de lutte municipal boxing nan kulkende yinka tawo kar yinka sport zure zure de ini dabu donc il singa jouer bon parce que oh ago hein. terrain officiel era o ah. il singa jouer abonoya songo il go organisation era malgré tout ba kanse il singa jouer nan wo kirgo salara se hunkun kirgo salara se déjà équipe e kulkanga participer il il go ndi on a 16 équipes qui participer participé à Koyada.

situation parce que donc effectivement, merci. Eh, en fait, vu la situation de la Covid, effectivement, tout le monde sait l'impact que la Covid-19 a eu euh, vraiment cette pandémie. Mais Dieu merci, nous sommes en train de résorber. Moi, je pense qu'au Niger, vraiment, nous sommes en train de sortir de l'auberge. Et pour vous qui suivez quand même euh, euh, les informations sur les médias, nous sommes tous conscients que ça va. Mais blocus au Kangourou, c'est effectivement l'être l'être non ministère l'être non ministère te ministre de la jeunesse te oh. lokacika une mesure et sambou ayo kimuna mm. igici e ne va nous mo vraiment l'être ni kini suspension te activité sportive et culturelle la lettre n'a plus sa raison d'être mm. il faut c'est un kunir gogo cer morgu jingare la jingar goga habay feri boray go koy higey de kebaydo boray go koy nangu fo siyase de go boray morgu kena aujourd'hui il y a aucune raison que le ministre il n'a aucune raison valable de continuer sur cette suspension vraiment wodi seɗon ndihunkuna au niveau de haro banda adirga hambagara manaji inge o kamata ki sintinza fin juillet mm. mais ndi lettre go blocus tir seɗo ren préliminaire enti mm. arbitre ir mongudu dole kalir sambu bor yan kan gorgo jeu balle qui s'y connaissent iru wa fokunde équipe et puis iru hay kulki ter sije de banda

euh, Parc il y a un agent précisément au niveau de la restauration. les, les, trucs, les mesures barrières sont prises. Il y a dans Babette, il y a dans Bavette, il y a dans Au niveau de la porte aussi, la sécurité la même chose. au niveau du, terrain de basket, il y a des gens qui ont joué, des gens qui ont joué, il y a des gens qui ont joué, kayan faham da doro igbe mata kange te mo ga ga de doro donc ce qui fait que entraînement hein, wato an tan kan gono din an tan manga din so azabu mais dabara dirti semaine fo an tan ma hun kuni aw jirbi hin kinu no semaine wala jirbi hin kinu eh, semaine hin gamara

ne mada an kan ber ci ne ma mamo an kan ber ci fela mo ane ne oni no ga god bore gambano aran mo covid ya ora in sakam da aran se wol mo bindes ko aran terenge go da bulara mo du masal kulu covid da borgo na kan amare c'est le basketball nigérien parce que nous on, on euh, compétition internationale hin hinkano gono kan niger ga accueillir hara hala hinza compétition internationale kan niger no gi accueillir de la zone 3 il faut une il faut qu'on fasse très attention. Une compétition à Niger. c'est l'instance mère FIBA Afrique qui nous a appelés, guerre quand ça tient. Et ils nous ont appelé pour nous dire que nos filles doivent se rendre à Lagos en novembre pour une compétition. Donc, Ndi Borgo Borsi, une camarade Et moi, personnellement, j'ai appelé le maire central de Niamey avant, avant ce Covid pour lui présenter tous les trophées de l'année 2020 plus de 12 trophées joués. Tout ça là, c'est parti en fumée. Donc, on, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, c'est comme ce que le grand frère Padre a dit. Tout est ouvert. Quand tu pars au palais de sport, il y a des fois. je crois que le sport, on ne peut pas sport sinon. a quand foire au palais de sport merci président an machino olivier se amkaton se bonsoir à tous j'espère que vous allez bien quant à moi dieu merci je vais bien dans la chronique de ce soir nous allons parler de fact checking ses enjeux et son impact sur la conscience des populations sous l'influence des réseaux sociaux la vraie information est une denrée rare pour des intérêts ou dans le but de manipuler l'opinion, les faits sont souvent déformés par des individus ou groupes d'individus. Alors, dans un contexte de globalisation où le monde est devenu ce village planétaire, les fausses informations intoxiquent les populations à des degrés différents. Le réseau social Facebook, également propriétaire du groupe, euh, ou bien également propriétaire du réseau WhatsApp, mène depuis 2017 une lutte contre les fake news ou encore fausses nouvelles. À travers le blocage des comptes signalés, la suppression des pages à caractère dégradant ou encore en installant des outils de contrôle d'informations sur les réseaux sociaux. Le 5 août 2020, euh, le réseau social WhatsApp a lancé un nouveau test qui, en substance, encouragera les utilisateurs à vérifier une information qui est relayée par leur ami. Lorsqu'une personne reçoit un message qui a été relayé plusieurs fois, l'application afficherait une icône de loupe à côté du contenu. Pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, pour le moment, l'outil n'est pas encore à disposition de tous les utilisateurs, mais est en phase de test. Alors, Dondi, on se demanderait comment se passe la lutte contre la désinformation en Afrique. Sur le continent, grâce au réseau social Facebook, plusieurs initiatives sont lancées à travers des programmes afin de vérifier les contenus partagés sur les réseaux sociaux. Il arrive même que des journalistes soient associés à la tâche de contrôle des informations. Au Niger, le journaliste Souleymane Bra est en charge du programme de fact-checking. Je suis allé à sa rencontre et il nous explique les tâches qui lui sont confiées. Notre travail consiste euh, à démystifier les fausses informations qui seront relayées sur euh, les réseaux sociaux. Quand je parle euh, des réseaux sociaux, j'ai fait évidemment allusion à Facebook, Twitter, WhatsApp et même les médias publics. Donc il s'agit pour moi d'être ce vérificateur des faits qui va à chaque fois essayer de donner la bonne euh, information euh, qui est différente des fausses désinformations ou bien de la désinformation de l'intox. Nous sommes dans un contexte où euh, chaque jour, chaque minute, il y a la propagation des fausses informations. Nous, nous allons essayer de tout faire pour donner la vraie information. Parce que le, fact-checking, c'est un journalisme de vérité. C'est un journalisme qui consiste quand même à rétablir la vérité. C'est la fin de cette chronique. Je ne pourrais conclure sans citer le nom de mon grand frère Issa Madougou qui dit souvent partager une information sur les réseaux sociaux relève tout simplement du bon sens. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Et le bon sens, c'est la chose la, mieux, partagée. partagée. Merci, Mr. pour donc la chronique de l'émission tout à la Fada. Alors, Président, un dernier mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Bon, tout ce que je veux dire, c'est dire à cette jeunesse vraiment de, de continuer à pratiquer le sport euh, parce que le sport, non seulement ça te donne euh, beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je vais me résumer à une seule chose, les connaissances. Une eh, seule phrase, s'il te plaît, une seule phrase. <laughs> bon, moi, je vais, le compléter. Le sport est fédérateur, il permet de s'émanciper. Voilà. Sport, on est hmm. Sport, à fond de faire agana nima duniya bai a agana nim du coro du sport agana nim du gahan bani. to arandi aram si ko te jene kan yang se sporo pratike son kalka bai mu kwara ni gidi jabba goiga igo guzurga bani ceci neno mashino da abdullahi da aiman da invite gina se irban irkomir kebin hino sato irmkan da amin ga tonandi niger jene kulgab Mambo Baifa, Mambo Bay